yéen mbokki Sénégal rawatina fii ci Thiès ak li ko wër kii di serif ay dara ñu gën koo xam ci ay dara original di fajkati cosaan ci gàncax ak ci wàllu reen borom Thiès ni ñu fii ci diwaanu Thiès ci diggante jàkkay Tukulóor ak rond-point hôpital régional bu Thiès ci kër Mbay Fay samedi bu nekk ma nga ci diwaanu Sibi Xutaan ci quartier Tàngoor ci kër Mbay Boxoor jàkkaarloog station Total bi wala boo ñëwee ba ci station bi nga laajte kër chef de village bi ngeen mën a jokkoo ak moom ci 77 546 35 46 wala 76 131 83 83 bu ngeen dégloo ame ñi katrat. jàngoro kotaraat moom Chérif Aïdara mi ci ñaari minute la koy faj nga ak mom day faj itam golokom ci lu gaaw lool yéen ñi amee myopie wala yéen ñi seen di ame ay laas yéen ñi amee jàngoro hémorroïde moo xam bi nëbbu la wala bi feeñ interne wala externe hémorroïde bi lay yóbbee chéré wala biir bu am ngelaw booy dem aajo muy metti dem sax bay toq deret mbaa muy nekk picc buy nga am jafe-jafe toog boko fajul mu mën dem ba indil la néew askan ci wàllu sëy moom Chérif Aïdara original andil na leen ay garabu hémorroïde ak traitement yi mu lay jagleel ci diir bu gàtt mu raxas ko ba mu set wecc moom Chérif Aïdara Chérif nag dama ko déglu am mu musal ko mu doy ci moom gis ko sama feebar ma ne ko ah Chérif déglu naa ñetti nit ñu bokk la yow def naa communication ak ñeneen ñu bokk la yow waaye moo tax kan? kan, ma ñëw ci yow pour ko yàlla def ñu waxtaan mu xool ma kan. mu wax ma yi ma daan ñu waxtaan ñu déggoo ma commencé jël ay traitement bés bi ma njëkk a jël traitement aussi bi sant naa loo xam ne plus de vingt ans ci ginnaaw muy sama di fonctionne normal ma dégg publicité bi te comme que dama yor eh, bët metti may dem oftalmo à chaque fois dem di jël ay garab depuis bi may nekk eh, jànq aw collège ba ma sëy nii bët yi ñëwaat may continuer ma dégg publicité bi un jour ma dem ma ne ah xaaru ma dem parce que nit ki moom boo déggee dara rek foog nga dem ko defee xëy na yàlla mun na laa saafaral noonu laa ñëwee fii wax dëgg yàlla mu dalal ma ak jàmm ma wax ko sama soxla mu ne ma ah incha allah bu ci yàlla àndee mun naa laa faj noonu laa ñëwee. mu commencé maa faj man premier jour bi ma joxee garab yi ma ñibbi dem def ko wallaay azim damaa def garab bi génn di doxantu sama bët yi dafa liir nañ naññ naññ gis nga fi ma doon xoof xam na mënu moon gis fa sori sori sori sori mais dem naa ba dama faa gis ba pare ci kaw tali bi laa ko doon woowee di ko ne ah man de li ma gis jaaxal ba yow sa garab bi foor na de mu ne ma lan la ma ne ko ah man fi ma doon gisee nii gisaguma ko woon yenn saa yi damay sumi sama veeri sax gis lu gën a leer que verre yi may sol bi ma demee ci ophtalmo bi mu ñëw ne ma ah yow sa bët yi nii man de gisuma ci kii gisuma ci eh, glaucome boobu nga amoon te gisoon naa ay glaucome mais léegi gisatuma glaucome ma ne ko ah naka la lu tax gisatoo ko mun ma bii tension bi dafa wàcc mais bii nii la ma fa gisoon gisatuma ko dara dara dara dara waaye war naa si yàlla yow di nga gudd fan di nga bëti daal dara dalu ko yéen mbokki Sénégal rawatina fii ci Thiès ak li ko wër kii di ay dara ñu gën koo xam ci ay dara original di fajkati cosaan ci gàncax ak ci wàllu reen borom Thiès mi ñu fii ci diwaanu Thiès ci diggante jàkkay Tukulóor ak rond-point hôpital bu Thiès ci kër Mbay Fay samedi bu nekk ma nga ci diwaanu Sibi Xutaan ci quartier Tàngoor ci kër Mbay Boxoor jàkkaarloog station Total bi wala boo ñëwee ba ci station bi nga laajte kër chef de village bi ngeen mën a jokkoo ak moom ci 77 546 35 46 wala wala 76 131 83 83 noonu itam la ko sunu borom may lool ci jàngoro ndoxum siti bi lay def yaram wuy xesan yaram wuy metti mbaa muy tàng mbaa muy def ay picc yi wala ay heure ba ci tànk yu xar ba ci tànk yu fetti gimiñ guy faral di sofe yi di siiñ yoo xam ni képp ku ko amee gëmal ni jàngoro ndoxum siti mooy li nga dëkkaaleel boo seet see Serif Aïdara original ci butéel bi mu lay jox nga koy jëfandikoo daf koy faj ci biir ci pomaat bi mu lay jox nga koy diw ci dar bi daf tàqalikoo ak jàngoro ndoxum siti ba faw damaa amoon siti hémorroïde ak faible sexuelle parce que siti mooy joxe hémorroïde mooy joxe sa faible sexuelle ku ko képp ku ko am te fajoo ko la ngay di nga problème tôt ou léegi man bu ma amee loolu laa fexe ba xam Chérif Aïdara ba ma ñëwee sonn naa parce que damay xëy bi ma mën a liggéey damay xëy sama biir fees ma yëg santi sama yaram sama sikk gi nekk ci côté gauche mu jàpp ndigg lépp day métti bu mel ni sikk gi day bëgg a dal samay tànk daloon nagam constamment ñoo ko loolu mën naa dem parce que déggoon naa ko ma naa dem parce que déggoon naa émission yu bari ma dem boo ñëwee mu jox ma benn bouteille ba ma noonu itam la ko yàlla maye wàllu néew kàttan bépp góor goo xam ni danga nga ami néew kàttan ci sa kawlal booy joteeg sa soxna di gaaw a noppi mbaa sox doo ci bëgg dara wala sax nga am problème mu man yu mënoo am doom wala sax nga tëlee yi ak yi mel ni moom jàngoro bu la ci gane si seet sil ay dara original mu fajal la ko léegi léegi nga tàqali ko ak moom léegi léegi am jàmm kër gi ne dafay faj jigéen ju mënul am doom wala jigéen ju taxaw wala sax nga am problème mu règle ko musaafaral la ko léegi-léegi boo delloo ci alxuraanul karim itam daf la fay defaral bayre moo xam bayre njaay la wala bayre mbooloo yow mi soxla ay kayit ngir tukki bitim réew ak bépp façon kayit booy mën a lijjanti te bëgg mu saafaraw seet si ko moom Chérif Aïdara original jàng faj mi yëmu ca mu donn ko di ci jàppale réew mi rawatina Thiès ak li ko wër yéen ñi ko soxla ngir jokkoo moom Chérif Aïdara original mi ngi fii ci diwaanu Thiès ci diggante jàkkay Tukulóor ak rond-point bu hôpital régional bu Thiès ci kër kii di Mbaye Faye nag dafa yaatal ay jéegoom ma nga ci sibi xutaan ca quartier tàngoor ci kër mbay boxoor jàkkaarloog station total bi wala boo ñëw ci station bi nga laajte kër chef de quartier bi jokkoo leen ak Chérif Aïdara original ci 76 131 83 83 76 131 83 83 wala 77 546 35 46 77 546 35 46 Ok, bonjour, bonjour c'est Internet euh, de Jam TV. Aujourd'hui, euh, on a l'honneur euh, d'accueillir aujourd'hui notre focus euh, Shérif Original. Bonjour Shérif. Bonjour. Ok, pourquoi le nom de Shérif Haider Original <laughs> Ok, assalamu alaikum wa Je salue tout le monde, les notables, les dirigeants, moi, je me nomme Sherif Haïdara, comme vous l'avez si bien dit. Pourquoi l'original Il y a l'original parce qu'on me demande chaque fois, là où je viens, j'ai dit, moi, je suis d'origine morcanique et malienne. Vous comprenez Donc, mon père est mauricanien. Nah. Hmm? Ma maman, elle est Peul Sidibé. Vous comprenez Donc, je suis né et grandi dans l'ère et je connais rien d'autre que la tradition, mhm. les plantes, les arbres et les arbres. Depuis quand vous êtes au Sénégal Je suis là depuis 2019. Depuis 2019 Oui. Euh, cette, euh, cette métier-là, c'est quelque chose par héritage ou bien vous avez... Oui, c'est par héritage. Côté paternel ou maternel euh, du côté maternel, du côté paternel. Parce que comme je vous l'ai si bien dit, je suis né et grandi par mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père. C'est eux qui m'ont appris ça. Donc ça me fait 33 ans que je fais ce travail. Je n'ai pas commencé hier ni aujourd'hui. Le début c'était où Le début de, cette, métier là Le début Les débuts. Vous avez débuté où euh, Au Sénégal Ou bien euh, à Mauritanie ou au Mali je n'ai pas compris la question. Euh, le, début de cette métier, oui. vous avez débuté ici au Sénégal ou au Mali Non, je l'ai débuté chez nous, au Mali. Après le Mali, je suis parti étudier en Côte d'Ivoire. Mhm. Après la Côte d'Ivoire, je suis parti au Niger. Après le Niger, je suis revenu encore au Mali et la Mauritanie. Parce qu'il y a des plantes qui sortent entre le frontière du Mali et le Niger. Et celles qui sortent du Mali sur les colonies, ce qu'on appelle les pays d'Europe. Donc, euh, par rapport à, ce métier, euh, je peux noter il y a beaucoup de, beaucoup de services, mais on, voit euh, sur le glaucome, le glaucome, c'est une maladie, c'est la tension des yeux. Mhm. Tu peux avoir la tension du corps et la tension des yeux. La tension des yeux, c'est ce qu'on appelle glaucome. Mhm. la, tête chauffe, mhm. la tête fait mal, les yeux se font sortir de tout le barina. Donc, beaucoup C'est ça qu'on appelle le glaucome. Maintenant, le glaucome, les docteurs ils disent qu'ils ne traitent pas. Mais moi, je les traite avec les plantes. Tu combien de jours ou bien combien de mois ça dépend. Il y a des gens qui peuvent être guéris moins d'un mois, moins de deux mois, moins de trois mois. Ça, c'est au maximum. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez mm-hmm. Voilà. Si la personne suit réellement mm-hmm. ses traitements. Mais peut-être euh, le glaucome euh, par rapport à l'âge, tu peux l'avoir à l'âge de, le glaucome, On peut avoir même à l'âge de 7 à 8 ans. Ça dépend. Le glaucome, il n'y a pas âge fixe. Le jeune Les jeunes peuvent avoir le glaucome, les vieux peuvent avoir le glaucome, le vieux peut avoir comme je vous ai dit, c'est la tension de l'œil. Ok. Mais le glaucome et la cataracte, quelle est la différence La différence entre le glaucome et la cataracte, ça fait deux. La cataracte, c'est une saleté. Mm. C'est une, forme de niage qui mm. s'affirme sur l'ampoule de l'œil. Et ça ça, ça, se réduit la vision, ça réduit la vision. Mhm. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne ne voit rien. Mhm. Ça, je donne 3 minutes à la personne. Qui a glaucome. Euh, cataracte. je lui donne 3 minutes. Mhm. Si on se met d'accord, il verra. Si il verra très clair, il me donne mon argent. En 3 minutes En 3 minutes. Je n'ai pas dit 4 minutes, 5 minutes, 3 minutes. Même personne prévue à 2 ou 3 ans. si la personne a fait 10 ans avec la cataracte, je lui donne 3 minutes pour lui rendre la vision. Ok, ok. Ok, ok, Chérif Aider original. Mais euh, jusqu'au manger, on va parler aussi de, de ballonnement. De ballonnement. Parfois, souvent, on dit de ballonnement. mais le ballonnement, c'est plusieurs qualités. Hmm. Il y a des ballonnements qui se font par euh, hmm. Il y a des ballonnements qui se font par une mauvaise digestion alimentaire. Hmm. Il y a des ballonnements qui se font par le estomac. Quand tu as le stomac, tu manges de mm. la graisse, ça n'arrive pas à digérer. Donc forcément, tu vas avoir le ventre ballonné. C'est facile de vous faire comprendre. Mm-hmm. Maintenant, tu peux avoir morines aussi et tu as le ventre ballonné. Mm-hmm. Ça aussi, je donne un médicament pour ça. Mm-hmm. Quand il est dans, si c'est hémorroïde mm-hmm. interne, mm-hmm. c'est le ballonnement à l'intérieur. Je te donne 10 minutes. 10 minutes, même si l'hémorroïde a fait 100 ans dans ton ventre, il va sortir. Mais l'hémorroïde, euh, euh, s'il y a des dangers, quels sont les dangers par rapport à l'hémorroïde L'hémorroïde, quand ça, ça, ça, donne la folie. L'hémorroïde, quand tu as ça, ça te peut même tuer. C'est ce que je vous fais comprendre ça peut tuer. Parce que les quand ça sort, les docteurs coupent une fois, deux fois, trois fois, ça devient du cancer. Mhm. Ça, c'est les externe mhm. Maintenant, les interne internes, ça détruit les intestins qui sont à l'intérieur de l'homme. Tu vois, la personne, il est gros, quand il a une il devient mince, on dirait un. Mhm. Donc, c'est ça, hémorragie. Ce sont les, les, dangers. Mais aussi, euh, vous avez dit tout à l'heure, par rapport au ballonnement, il y a il y a, d'autres facteurs. Oui. Quels sont, les, quels sont les, autres Il y a ce qu'on appelle le colopathie. Colopathie. L'oculopathie. L'oculopathie. Ok. aussi, je les traite. Parce que c'est presque. Quels les signes par les signes ce sont les bandes qui bourdonnent, mm. qui fait des bruits, qui se ballonnent. Ok. Quand tu manges, on, dirait un homme, il mange un plat. Mm. Toi, tu, euh, quand tu as le. Quand tu as ça, mm. tu remarques qu'au moins un plat là, tu ne pourras même pas le finir. Parce que les intestins, c'est ce si mm. Quand ça c'est quoi tu ne peux pas manger. Tu as une mauvaise appétition. Tu n'as mm. pas d'appétit. Mm. Même si tu as envie de manger, quand tu vois la nourriture, tu ne peux pas manger. Et puis, généralement, c'est des gens qui n'aiment pas les canis, qui n'aiment pas les, les huiles. Tout ce qui est graisse, ils n'aiment pas ça. Maintenant, on, va, on va parler par rapport à l'estomac. Parfois, souvent, des gens se, se, craignent par rapport à l'estomac. L'estomac, c'est la gastrite. En fait, l'estomac, c'est quand tu manges, tu n'arrives pas à digérer les aliments. ok tu manges, tu manges, tu n'arrives pas à digérer. Les aliments ne se transforment pas mm. dans le ventre vite. Mm. Et puis souvent, ça vient amer jusqu'ici. Mm. C'est comme si tu as envie de vomir, tu ne vomis pas. Est-ce que vous voyez La douleur sort par là, souvent, ça sort par le dos, souvent. C'est ça qu'on appelle l'estomac. Mais... C'est le gros intestin en fait. Ok. Voilà. Mais par rapport aussi, quelle est, quelle est euh, euh, la, différence entre aussi l'estomac et aussi Parce que souvent on, on dit qu'il y a, y a une liaison. L'hémorite, c'est à l'intérieur ça, ça l'estomac, c'est au niveau du gros intestin. Et les c'est au niveau des petits intestins. C'est les intestins qui se collent. Donc la personne n'arrive pas à trouver des déchets, il n'arrive pas à aller à la toilette à la normale, il a dit qu'il a hémorragie. Est-ce que vous voyez Alors que l'estomac, c'est au niveau du grand intestin. Parce qu'à l'intérieur de l'homme, il n'y a pas d'estomac. Le, traitement de l'hémorragie. C'est le Le traitement de l'hémorragie, ça, ça, peut durer combien de, jours Le traitement de l'hémorragie, je vous dis, c'est 10 minutes que je donne à la personne. 10 minutes 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Chérie, vous avez dit 10 minutes. Eh, c'est pour cela qu'on m'appelle aussi le Johnny Johnny. en tout cas, là, c'est efficace, donc, c'est efficace. Donc, euh, vous, vous, qui nous suivez. 10 minutes, il y a un soulagement. Ok, vous qui nous suivez, nous recevons aujourd'hui notre focus euh, Chérif Haider original. Comme son nom l'indique, il a parfaitement dit, euh, ça se traite à au moins de 10 au maximum 10 minutes. Donc, Shérif, euh, on va, on va parler aussi sur le maraboutage. Avant, tout. Le si... maraboutage, en c'est quelque chose que j'évite. Parce que moi, je suis un biothérapeute. Ok. Mais Chérif ne, ne, fonctionne pas. Je, ne maraboute pas quelqu'un pour qu'il soit riche, je ne maraboute pas quelqu'un pour qu'il doit va voir ce qui va se passer le lendemain ou demain. Je ne fais pas des sacrifices, non. Les gens le que je prends, les doigts que je prends, je fais des doigts pour la personne et je vais lui montrer ce qu'il va lui montrer. Donc, sur les deux points, l'ouverture et voyage, est-ce que le shérif peut, euh, peut, nous, parler par rapport à ça Oui, par exemple, l'être humain, quand tu viens au monde, mm. c'est comme un arbre. Mm. Quand tu le mets de l'eau sous dessus, tu l'arroses, arrose, mm. ça se développe, n'est-ce pas Mais si tu n'arroses pas la personne, l'arbre, ça meurt. Donc c'est ça l'être humain. Il y a des chétans, il y a des djinns, il y a des mauvaises personnes entre nous, il y a des mauvais yeux. Bon, j'ai une plante que tu peux te laver avec, qui sera contre tout ça. Mm. Il y a des gens qui ont des chétans et des djinns. Il y a mm. des plantes et du Coran, des mm. sourates que vous connaissez comme Ayat al-Kursi. Quand tu fais le secret, là tu le connais, comme les marabouts connaissent, Tu fais le secret, tu donnes à la personne, il se lave et il se purifie. Mais Donc je ne vais pas dire que je peux purifier quelqu'un pour qu'il devienne multimilliardaire, mais je lui donne pour les sabbats. qui va lui apporter des portes d'ouverture. Les portes qui sont fermées peuvent s'ouvrir. Voilà. Parce qu'il n'y a pas il de gens qui, qui, qui sont ne pas, qui ne parviennent pas à trouver même pas un travail, même pas, euh, ils ne peuvent pas toute la journée, même avoir un saint français c'est un problème. Voilà, c'est un problème. Ça, c'est au niveau des trucs. Parce que toutes les portes sont fermées. Comment tu peux aller chercher de l'argent et tu trouves Maintenant, quand tes portes t'ouvrent, mm. il n'y a plus de mauvais sort sur toi. Mm. tes portes s'ouvrent, tu gagnes ce que Dieu décide que tu trouves. Ok. Ok. Mais par rapport aussi à l'autre côté, côté mariage, parfois il y a des gens qui ne parviennent pas à trouver soit un mari ou euh, une femme. Ça, je donne 7 jours, je donne 21 jours, je donne 41 jours. Hmm. Les trois là, les marabouts c'est dans le Coran. Hmm. Je fais le secret de ça, je donne à la personne. Hmm. Il aura un mari. Il y a plein de gens sur le banc aussi. Qui vont, 7, jours, ça. 7 jours 7 jours, 21 jours, et 41 jours. Mais le traitement, est-ce que vous pouvez euh, euh, expliquer par rapport à Ça, ça dépend des prix. Ok. Il y a des gens qui peuvent payer pour 7 mm-hmm. jours. Il y a des gens qui peuvent payer pour 21 jours. Il y a des gens qui peuvent payer 41 jours. Voilà. Mm-hmm. Maintenant, quand j'ai fait le recherche, ça dépend de la personne. Je lui regarde ce qui correspond à sa date. Mm-hmm. Je lui dis ça. Par rapport, aussi à notre point de départ. Est-ce que, est que Shérif euh, peut, nous donner par rapport à euh, les qui ne parlent pas avoir un enfant Parfois, il y a des, femmes ou bien des hommes certaines personnes, c'est des maladies qui les empêchent d'avoir des enfants. Il y a certaines personnes dont c'est les trompes qui sont bouchées. C'est les trompes qui sont bouchées. Donc ça aussi, je débouche les trompes et la personne trouve des enfants. Pour les, pour les femmes Pour les femmes. Voilà. Ça, je donne 40 jours, 30 jours. Voilà. Une C'est-à-dire la personne voit les règles au moins une fois ou deux fois et c'est fini. La personne aura son enfant. Mais même les femmes qui, qui sont restées pendant 10 ans ou Même si la personne a fait 30 ans, 40 ans sans, dans un mariage sans avoir enfant, je peux la traiter avec quelque chose. Il y a des gens sur le banc qui peuvent vous témoigner. Mmh, À, ce qui, concerne les, les, les, les, les hommes. Parfois, il y a des hommes qui, qui ont de, qui donnent l'esperme normal. Oui, effectivement, ça c'est un terrain Mm-hmm. que vraiment il y a beaucoup de thérapeutes qui parlent qui ne connaissent pas. Mm-hmm. Le, en, en, matière des hommes, il y a des hommes qui sont impuissants, mm-hmm. il y a des hommes qui ont une faiblesse sexuelle, il y a des gens qui ont une éjaculation précoce. Ça, ça fait trois qui sont différents. Mais les gens des mélanges vont dire euh, impuissance, impuissance, ça fait trois. Maintenant, si tu consultes la personne, moi je consulte d'abord, je regarde la personne, je consulte. Après avoir consulté, je connais son problème, je règle son problème. Pour l'impuissance sexuelle, par exemple, l'impuissance sexuelle, j'ai donne 5 minutes à la personne, mm. il a les résultats 5 minutes. 5 minutes. Mais quelqu'un qui a une faiblesse sexuelle, que soit l'âge qu'il a. Quel que soit l'âge qu'il a. Même si la personne est née avec, je lui donne 5 minutes, il va, le, il va, il les résultats. Mais c'est des traitements. Mm. Quand tu suis le traitement, mm. tu serais satisfait durant tout le restant de sa vie. Mm. Mais il y a des gens qui demandent, il faut me dépanner seulement. Quand tu les dépannes une fois, deux fois, deux mois, trois mois, la maladie revient encore. Ils vont dire que tu les as pas traités. Alors que c'est faux, ils ont demandé un dépannage. De dépanner quelqu'un et le traiter, ça fait deux. Alors que c'est une maladie, c'est seulement transmise. ce sont des euh, euh, maladies. Chérif, euh, reviens par rapport à, la dépannage. Oui. Pour dépanner quelqu'un ou bien pour, pour dépanner comment comment Oui, il y a des médicaments quand je te donne ça, tu as les résultats tout de suite. Mm. Tu peux l'utiliser tant que le, le, iode du médicament est dans ton sang, ça fonctionne, mm. mais à un durée bien déterminée. Mm. Après ça, c'est quand l'iode est fini dans le l'Europe, la maladie revient. Mais quand tu le traites jusqu'à ce que les virus qui ont amené ça est complètement hors du, de ton sang, tu seras comme un jeune de 18 ans. Ok. Il y a beaucoup de gens qui savent ça. Une seule fois, ils ont utilisé mon médicament, mais ils sont là. Je les dis chaque fois de venir voir mhm. voir s'il y a un problème ou pas. Mhm. Voilà. Mhm. C'est comme ça que je traite les impuissances sexuelles et les faiblesses Ok, par rapport aussi euh, à, la diabète, est-ce que Chérif a des remèdes par rapport à Oui, j'ai des remèdes pour le diabète, mais le diabète, c'est un traitement. Ok. La personne prend le traitement et Inch'Allah, il sera satisfait. Pour, pour, pendant combien de jours Toutes les maladies là, toutes les maladies je donne à la personne le traitement. Après le traitement, je lui dis, va là où tu veux, tu fais des analyses. Ils vont te dire que tu n'as plus la maladie. Mm-hmm. C'est là-bas que le traitement s'arrête. Mm-hmm. Mais euh, parfois, on dit le, le, city, mm-hmm. qui, a, un problème de tout. Non, le home City, je donne deux jours à la personne si c'est fini. Le home City, ça peut être à deux endroits, soit dans le ventre, soit dans le sang. Il y a home City, par exemple, toi tu peux avoir home City. Forcément, ton enfant va avoir home City, si c'est dans ton sang. Pourquoi Pourquoi Parce que ça se transmet. Ok. C'est dans le sang. Ok. Voilà. Le c'est dit ça se transmet. Ok. Voilà. Mais, mais par, par, rapport à, la, à, guérison, ça peut, ça peut durer un, mois ou bien non, mois non, non, non, non, Ça peut même pas faire un mois. Un, mois. deux jours seulement, tu verras ok ok ok parce mais aussi par rapport aussi par rapport euh, à norme City mm-hmm. parce que souvent il y a des gens qui disent que euh, par rapport à, il y a un problème de de de, peau oui le, tu me dis oui. un problème de, de peau ceux qui ont leur peau gâtée par le City mm-hmm. j'ai une pommade que je lui donne à la personne dès qu'il met sur lui automatiquement il voit que les plaies là sont en train de se guérir Ok. moins d'une semaine là mm-hmm. tu verras la personne il devient lisse on dirait qu'il n'a jamais eu d'homme cité c'est son, sa Ok, mais parfois on voit aussi les, les pieds, les gens ne même pas à, marcher. À marcher, mm. oui, je les traite aussi. Ok, donc c'est un ensemble, c'est un ensemble. C'est un ensemble, oui. Ok, ok. ok mais euh, j'aimerais euh, euh, un peu, on, revient par rapport à la diabète. Parce qu'il y a des gens, actuellement, on, souvent on parlait, ce sont les, hommes riches qui, qui avaient le, diabète, maintenant, les, même les gens qui. même un jeune de 18 ans peut avoir le diabète. Ou, bien Parce Ça dépend de sa alimentation. Quand okay. tu as les bons moyens, tu manges bien les aliments sucrés, tu auras le diabète. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. Voilà, je traite le diabète. Ok. Quel que soit l'âge de la personne. Ok, tous mes maladies-là, quel que soit l'âge de la personne, je peux le traiter, je le traite. Mais je ne peux pas lui dire que je peux te traiter sans le voir. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose, c'est important. Euh, jusqu'à, on va, euh, accentuer un peu, par rapport aussi euh, le fonctionnement, le, fonctionnement, euh, ou bien le traitement, le traitement d'une manière générale. Parce qu'il y a des gens qui viennent aujourd'hui vous donnez des rendez-vous, il ne parlent pas à respecter ou bien Est-ce que parfois moi, c'est ça, c'est le grand problème que j'ai ici au Sénégal. ok Quand tu prends un traitement, mhm. il faut suivre ton traitement. Mhm. Moi, je dis aux gens, si tu commences ton traitement, même si tu n'as pas d'argent, il faut continuer ton traitement. Mhm. C'est pas forcément que l'argent seulement qui fait le traitement. Non. Quand tu es traité, tu es guéri tu es guéri, moi je suis content, tu es content. Mais tu commences un traitement, après tu lâches. c'est là que tu ne peux pas bien traiter. Et il faut éviter ça, vraiment. C'est un cri de cœur que je lance. Vraiment, il faut éviter ça. N'importe qui que tu veux pas te faire un traitement, il faut suivre ton traitement. Ok. Ok. Pour un petit rappel, euh, shérif, l'hémorragie, ça, euh, ça, ça, se guérit depuis combien de jours 10 minutes. Euh, le, le, le cataracte interne. Euh, l'hémorragie interne. externe. Uh-huh. Je donne deux jours à la personne. Le cataracte la cataracte, je donne 3 minutes. 3, 3 minutes. Oui. Euh, le, euh, le c'est un traitement. un traitement. Oui. Qui peut durer, ça dépend. Qui peut durer. Ça dépend de l'organe de la personne, euh, de la maladie de la personne. Euh, euh, ok, ok. Comment c'est l'estomac L'estomac, je lui donne quelques minutes. Ok, le, comment dire euh, faible, faible sexuelle 5 minutes. Ok, ok, ok. Oh, euh, aussi, l'autre, l'autre, je, vais oublier, euh, par rapport aussi, le ballonnement, problème, problème gastrique là, vous, parlez tout à l'heure. Ça, c'est automatique. La personne prend le médicaments, il a les résultats automatiquement. Ah, c'est c'est original On parle, encore hein, qu'on <laughs> n'entend pas. Mais c'est par rapport aussi, euh, les Parce que quand on dit original, mm-hmm. moi, je ne suis pas en train de traiter seulement les gens, je forme les gens. Mm. Je peux te former toi-même, un jour tu deviens comme moi. Ok. Ok. Tu ne vas jamais me voir quelque part sans me voir avec des gens. Ce sont tous mes mieux que je les forme. Ok. Voilà. Parce que j'ai été formé comme ça. Ok. Par rapport aussi au ticket, est-ce que vous pouvez revenir par rapport au ticket de... Oui, le ticket, mm. j'ai un petit peu que toute personne qui passe chez moi le prend. Ok. garanti pendant, c'est mm. garanti pour mm. un an. Mm-hmm un an de garantie. quand je te traite, même si ça ne va pas, tu reviens avec le ticket, on reprend ton traitement, tu le payes même pas 5 francs encore. Ok, ok. Par rapport à l'adresse Moi, je suis tous les jours à Thiès. Mhm. Rond-point hôpital régional Djigente Djeké Toukolo. Devant le Djek, la mosquée Djeké seulement, mm tu mhm. m'appelles. Mm arriver devant l'hôpital régional de Thiès, tu m'appelles. Voici des, endroits auxquels tu peux m'appeler quand je suis à Thiès. Mm. Maintenant, chaque samedi, mm. je suis ici à Sébikoutan. Seulement, le samedi Seulement le samedi. Le mm. samedi aussi de 8h à 14h. Chaque samedi, je suis là à recevoir les gens de 8h à 14h. Ok. Euh, les, les, autres jours, comme ça, le dimanche et le jour Tous les autres jours, je suis à Thiès. Pour la Thiès. Seulement le samedi que vous. C'est seulement le samedi que je me déplace pour être ici à Thiès. Ah, Est-ce est que vous avez des projets par rapport aux les autres, les autres communes ou les autres régions Bon, je suis. C'est en cours, mais ils ne sont pas encore commencés. Mais c'est en cours. mais d'ici le samedi prochain, peut-être, je peux vous donner une autre adresse. Ok. Chérif, le dernier mot je salue toute la population sénégalaise et sénégalaise. Je salue tous les notables. Je salue tous les marabouts. Et je me mets à genoux à tous les marabouts. Le peu que je connais, c'est avec ça que je sers le pays. Mhm. Parce que nous sommes tous des frères de dessert. Moi, je ne peux pas aller traiter les blancs alors que nous, les Africains, on a les mêmes maladies. Mhm. Et les blancs prennent nos mêmes produits mhm. bio que nous avons pour aller les euh, transformer et mettre des produits chimiques dedans pour venir nous tirer. Mhm. C'est pour cela que j'ai décidé de guider nos frères, nos sœurs, mhm. nos mamans et nos papas. Mhm. Et je suis ouvert à tout le monde. Je suis le fils de tout le monde. Je suis le professeur de tout le monde. Le numéro de téléphone avant de quitter 77 058 62 62 76 530 63 63 77 546 35 46 76 131 83 83 Merci d'être le cadre numéro que Merci beaucoup, Chérif. Merci. yéen mbokki Sénégal rawatina fii ci Thiès ak li ko wër kii di serif ay dara ñu gën koo xam ci Chérif dara original di fajkati cosaan ci gàncax ak ci wàllu reen borom Thiès ni ñu fii ci diwaanu Thiès ci diggante jàkkay Tukulóor ak rond-point hôpital régional bu Thiès ci kër Mbay Fay samedi bu nekk ma nga ci diwaanu Sibi Xutaan ci quartier Tàngoor ci kër Mbay Boxoor jàkkaarloog station Total bi wala boo ñëwee ba ci station bi nga laajte kër chef de village bi ngeen mën a jokkoo ak moom ci 77 546 35 46 wala 76 131 83 83 bu ngeen dégloo yéen ñi amee jàngoro cataracte moom Chérif Aïdara mi ci ñaari minute la koy faj nga tàqalikoo ak mom day faj itam golokom ci lu gaaw ame yéen ñi amee myopie wala yéen ñi seen bët di ame ay laas yéen ñi amee jàngoro hémorroïde moo xam bi nëbbu la wala bi feeñ interne wala externe hémorroïde bi lay chéré wala bu am ngelaw booy dem aaju muy metti dem sax bay toq deret mbaa muy nekk picc buy génn nga am jafe-jafe tok boo fajul mu mën dem ba indil la bakkan ci wàllu sëy moom Chérif Aïdara original andil na leen ay garabu hémorroïde ak traitement yi mu lay jagleel ci diir bu gàtt mu raxas ko ba mu set wecc moom Chérif Aïdara Chérif nag dama ko déglu am na ay yeneen moroom yu ñu soxla yoo xamante ne faj bi muy faj dañuy faj waaye day yàlla dafa def ba mu ko dégloo mu doy ma man doyul ko ma ñëw ci moom gis ko sama feebar ma ne ko ah Chérif déglu naa ñetti nit ñu bokkul ak yow def naa communication ak yeneen ñu bokkul ak yow waaye dama la déglu da nga maa doy moo tax ma ñëw ci yow pour la def ñu mu xool ma mu wax ma li ma dal ñu waxtaan ñu déggoo ma commencé jël ay traitement bés bi ma jëkk jël traitement wu sëriñ sant ci muy sama yépp di fonctionne normal ma dégg publicité bi te comme que dama yor eh, bët metti may dem oftalmo à chaque fois dem di jël ay garab depuis bi may

mu commencé maa faj man premier jour bi ma joxee garab yi ma ñibbi dem def ko wallaay azim damaa def garab bi génn di doxantu sama bët yi dafa liir nañ naññ naññ gis nga fi ma doon xoof xam na mënu gis fa sori sori sori sori mais dem naa ba dama faa gis ba pare ci kaw tali bi laa ko doon woowee di ko ne ah man de li ma gis jaaxal yow sa garab bi foor na de mu ne ma lan la ma ne ko ah man fi ma doon gisee nii gisaguma ko woon yenn saa yi damay sumi sama veeri sax gis lu gën a leer que verre yi may sol bi ma demee ci ophtalmo bi mu ñëw ne ma ah yow sa bët yi nii man de gisuma ci kii gisuma ci eh, glaucome boobu nga amoon te gisoon naa ay glaucome mais léegi gisatuma glaucome ma ne ko ah naka la tax gisatoo ko mën ma bii tension bi dafa wàcc mais bii nii la ma fa gisoon gisatuma ko dara dara dara dara waaye yow di nga gudd fan di nga bëti daal dara dalu ko yéen mbokki Sénégal rawatina fii ci Thiès ak li ko wër kii di serif ay dara ñu gën koo xam ci serif ay dara original di fajkatu cosaan ci gàncax ak ci wàllu reen borom Thiès ni ñu fii ci diwaanu Thiès ci diggante jàkkay tukulóor ak rond-point hôpital régional bu Thiès ci kër Mbay Fay samedi bu nekk ma nga ci diwaanu Sibi Xutaan ci quartier Tàngoor ci kër Mbay Boxoor jàkkaarloog station Total bi wala boo ñëwee ba ci station bi nga laajte kër chef de village bi ngeen mën a jokkoo ak moom ci 77 546 35 46 wala 76 131 83 83 noonu itam la ko sunu borom may lool ci jàngoro ndoxum siti bi lay def yaram wuy xesan yaram wuy metti mbaa muy tàng mbaa muy def ay picc wala ay heure ba ci tànk yu xar ba ci tànk yu fetti gimiñ guy faral di sofe yi di siiñ yoo xam ni képp ku ko amee gëmal ni jàngoro ndoxum siti mooy li nga dëkkaaleel boo seet see ay dara originale ci butéel bi mu lay jox nga koy jëfandikoo daf koy faj ci biir ci pomaat bi mu lay jox nga koy diw ci dar bi ko ak jàngoro ndoxum siti ba faw damaa amoon siti hémorroïde ak faible sexuelle parce que siti mooy joxe hémorroïde mooy joxe sa faible sexuelle ku ko képp ku ko am te fajoo ko la ngay di nga problème tôt ou léegi man bi ma amee loolu laa fexe ba xam Cherif Aïdara ba ma ñëwee sonnoon naa parce que damay xëy bi ma mën a ndékki damay xëy sama biir fees may yëg santi sama yaram sama sit gi nekk ci côté gauche ma jàpp ndigg léppay nekk mel ni eh, sit bi day bëgg a dal samay tànk daloon nagam constamment donc sentir loolu ma naa dem parce que déggoon naa ko ma naa dem parce que déglu naa émission yu bari ma dem boo ñëwee mu jox ma benn bouteille bama yegge la ko nan commencé gis noni itam la ko yalla maye walu neew katan bepp goor go xamni da nga ami neew katan ci sa kawlal bo jot ak sa soxna di gaaw nopi mba sox do ci bëgg dar wala sax nga am problème man yu mono am dom wala sax nga tele yi ak yi melni mom jangoro bu la ci gané ci sertil original mu fajal ko legi legi nga takhaliko ak mom legi legi am jamm kër gi neex da fay faj jigen ju mënul am dom wala jigen ju taxaw wala sax nga am problème règle da nga infection bo ñëwé serti ko musaafaral la ko léegi-léegi boo delloo ci alxuraanul karim itam daf la fay defaral bayre moo xam bayre njaay la wala bayre mbooloo yow mi soxla ay kayit ngir tukki bitim réew ak bépp façon kayit booy mën a lijjanti te bëgg mu saafaraw seet si ko moom Chérif Aïdara original jàng faj mi yëmu ca mu donn ko di ci jàppale réew mi rawatina Thiès ak li ko wër yéen ñi ko soxla ngir jokkoo moom ay Aïdara original mi ngi fii ci diwaanu Thiès ci diggante jàkkay Tukulóor ak rond-point bu hôpital régional bu Thiès ci kër kii di Mbay Fay nekk nag dafa yaatal ay jéegoom ma nga ci Sébikotane ca quartier tàngoor ci kër mbay boxoor jàkkaarloog station total bi wala boo ñëw ci station bi nga laajte kër chef de quartier bi jokkoo leen ak Chérif Aïdara original ci 76 131 83 83 76 131 83 83 wala 77 546 35 46 77 546 35 46